auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires de Studio Kalangou, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine. Trois sujets au menu de notre émission d'aujourd'hui. Les entretiens accordés par le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, à la télévision nationale le 11 février dernier. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été évoqués. Ensuite, l'incendie qui a ravagé une partie du marché principal de la l'arrondissement communal Nyamis 5 Enfin, une nouvelle épidémie de la grippe aviaire hautement pathogène déclarée le 30 janvier dernier par les autorités régionales de Niamey. Pour en discuter, je reçois dans ce studio Madame Memouna Diado, elle est journaliste indépendante, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative et Ousseini Issa, journaliste indépendant. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, a accordé le dimanche 11 février une interview en français, Hausa et Zerma à la télévision nationale. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été évoqués. Alors je commence avec vous, Nissa, vous êtes journaliste indépendant. Comment vous analysez cette nouvelle sortie médiatique du président Chani? je veux dire, c'est devenu pratiquement une tradition chez lui. Hmm. Et après la première sortie, où il a accordé une interview dans les deux principales langues nationales les plus parlées dans le pays et la langue de travail. il, a expliqué que bon, il faut communiquer directement avec euh, les citoyens parce que le français c'est pas tout le monde. Et quand il fait un entretien en français, il faut faire recours à des traducteurs en germain, mhm. souvent qui dénaturent un peu, ou qui rajoutent, ou qui diminuent des choses. Sur ses propos. N'est-ce pas ce que j'y retiens par rapport à cette troisième sortie, c'est qu'il a voulu clarifier un certain nombre de choses. Justement, quels sont les points qui ont retenu votre attention Ce qui a retenu mon attention, c'est d'abord par rapport au retrait de la CDAO, mhm. n'est-ce pas mhm. Parce que sait la polémique qui s'est a le retrait sans délai des trois pays de la CDAO, ça a des réactions, notamment au niveau de l'organisation où on a vu la commission réagir pour dire que c'est pas comme ça que ça va se passer. Mmh, mmh, mmh. Il fallait clarifier les choses. Et ça, c'est le premier aspect. C'est un retrait sans délai. Le deuxième aspect, c'est par rapport un peu à la lenteur dans la conduite des, comment vais-je dire, euh, de de, la transition. Bon, on ne peut pas parler encore de transition parce que jusqu'ici, il n'y a, pas une, a pas une date, il n'y a pas un délai qui est fixé, une durée qui est fixée, n'est-ce pas mhm. Il a un peu ébauché cette question-là. Et la troisième question, c'était que j'ai pu retenir, c'était par rapport à cette affaire d'or-là. Mhm. Trafic d'or qui a été intercepté en Éthiopie. En Éthiopie. Mhm. où il a tenté de faire comprendre que bon, les gens divaguent, c'est même pas évident que ce soit de l'or. En tout cas, qu'à leur niveau, ils n'ont pas une information relative. Bon, ça, ça pose problème parce que jusqu'ici, les gens considèrent que c'est une façon d'esquiver la préoccupation. Il n'est pas allé en profondeur parce que quand on se réfère un peu à ce que le ministre de la justice a dit, mhm, mhm. qui a même parlé d'ouverture d'une enquête, judiciaire, et, que le président vient mhm, dire que ils ne reconnaissent. reconnaissent. pas, ça pose un sérieux problème. On a l'impression que il n'y a pas une harmonie dans la vision ou dans les explications. Chacun va dans, dans, dans un sens. Mm-hmm. C'est un peu ça que je puis retenir de mm-hmm. son intervention. Alors vous, Memouna, quelle analyse vous suscite cette euh, nouvelle sortie euh, du président Abdrahman Chani Oui, euh, Nafis, cette troisième sortie, puisqu'il faut l'annoncer ainsi, mm-hmm, c'est dans son exercice d'informer les populations sur la d'abord la marche du pays, les décisions qui émanent en tout cas euh, du pays, du peuple nigérien, parce mhm. qu'il y a des décisions où c'est ensemble que nous devons les prendre. Mhm, mhm. Euh, parler de ce pourquoi euh, le Niger, avec les autres pays du Sahel, ont claqué la porte à la CDAO parler également de ce troisième mandat, de ce qui se passe dans les autres pays comme le Sénégal mhm. et également le Bénin. Mhm. Il a parlé de l'UEMOA, il a parlé que c'était pas, en tout cas, euh, l'UEMOA n'a aucun pouvoir pour pouvoir euh, mhm. euh, fermer euh, l'argent du peuple nigérien, prendre en otage l'argent du peuple nigérien. Justement, sur l'une des raisons qu'il a donné de ce retrait de la CDAO, euh, il a parlé aussi des questions économiques qui ont poussé ces pays à quitter la CDAO. Oui, oui, mm-hmm. justement, il a mm-hmm. parlé avec l'embargo, avec euh, la situation de l'embargo. Mm-hmm. C'est pas seulement le peuple nigérien aujourd'hui qui, est en train de souffrir. De par le peuple nigérien, il y a d'autres peuples aussi comme le Burkina Faso, comme le Mali aussi qui sont dans cette situation. Les trois pays du Sahel qui sont dans cette situation. Mm. Donc, euh, et de toutes les mille manières, il n'a jamais, il a parlé également que c'était pas, en tout cas, conforme à ce que aujourd'hui la CDAO est en train de faire pour ces pays du Sahel. Que en aucun cas, on a dit de fermer les frontières quand il s'agit de faire quelque chose dans un autre pays ou pas. Mhm. Donc, c'est en violation directe, en violation de leur propre texte. Mhm. Donc, ils ne voient pas l'utilité de continuer euh, à, rester dans, une, euh, organisation, mhm. euh, oui, une organisation comme ça. Donc, il a également parlé de, de, de, ce qu'on appelle l'or où c'est vrai, c'est là-bas, il a un peu effleuré le problème, puisque là, il dit que c'est vraiment, si c'est fait dans les normes, il voit pas le problème si le transfert est fait dans les normes. Mm-hmm. Mais si c'est pas fait dans les normes, donc de transaction, c'est là où on peut parler euh, de, de, vol ou de détournement. Mm-hmm. Donc, l'un dans l'autre. Ce qu'il a fait, il l'a fait en trois langues. C'est pour que les Nigériens soient également informés à mhm. chaque niveau mhm. de ce que le Niger est en train de faire. En trois langues, euh, c'est-à-dire euh, deux langues les plus parlées ici au Niger aujourd'hui, à plus de six mois euh, de l'avènement du CNSP. Êtes-vous satisfaite, vous, en tant que citoyenne, des propos du président Chani aujourd'hui Bon, je peux dire satisfaite ou pas satisfaite. Mhm. je, vois qu'il y a une nette amélioration en tout cas dans les décisions que le CNSP est en train de prendre. Et même maintenant, c'est de les concrétiser, parce que c'est ça en fait. Mhm. Nous écoutons, nous l'écoutons à six mois déjà, mais il faut mûrir également euh, les idées. Il faut mûrir mhm. les idées pour voir ce que, comment est-ce que ça va se faire, et surtout, surtout, parce que nous sommes déjà à l'approche du mois de Ramadan. Nous sommes déjà, le mois de Ramadan est déjà là, mhm. donc Maintenant, il faut prendre les décisions, les, les, précautions pour que la flambée des prix que nous, nous sommes en train d'endurer, que le peuple nigérien est en train d'endurer, qu'on essaie aussi de trouver le mécanisme. C'est pas de sortir de la CDAO, mm-hmm, mm-hmm. mais il faut également... Avant donc euh, d'arriver euh, aux bonnes actions, aux bonnes résolutions à prendre pour une bonne gouvernance du CNSP, je donne la parole à vous, Monsieur Armi. Un mot sur cette sortie du président Abdelrahman Chani. Merci. Oui, euh, c'est la troisième sortie, comme les autres ont eu... Mm-hmm. à le dire. Euh, il faut retenir que euh, apparemment le CNSP euh, n'a pas fini de nous surprendre, mhm. tant leur détermination est grande. Mhm. après le coup d'État que d'aucuns a qualifié de surprenant, mhm. ça a été le cas euh, de, cette, de ce retrait euh, simultané euh, annoncé par les trois pays. Mm. à cela, il a déjà ajouté lors de son intervention que toute chose à son temps mm. par rapport au retrait de l'UOMOA et du franc CFA. donc ça, il faut, il faut aussi s'y attendre. Mm en dehors de ce que les autres euh, ont annoncé, il a aussi parlé de la visite euh, au Proche-Orient euh, et en Russie de son Premier ministre. oui, et il avait dit que c'est pour dire de Jésus à tous les potentiels partenaires que le Niger ne choisit ses amis que parmi euh, ceux qui le respectent et mhm. ceux euh, par là où il a ses intérêts. Mhm. Et que les relations entre le Niger et les autres pays désormais, c'est d'égal à égal, euh, que ça va se passer. Ça aussi, mhm. il l'a annoncé. Bon, l'autre chose que je soulève, il y a une contradiction que Hussein a soulevée. Sur la question de l'or saisie en Justement, mais il y a aussi la question de la famille de l'ancien président. Mhm. N'est-ce pas Là aussi, le président, euh, le chef de l'État, n'a pas manqué de dire qu'il insiste mhm. qu'ils étaient libres de partir. il euh, alors que, sa sur Internet, il dit qu'il insiste. Mhm. Donc vraiment, il sait ce qu'il euh, dit. donc vraiment, des contradictions de ce genre ne sont pas aussi de nature à arranger la communication gouvernementale. Bon, c'est beaucoup d'aspects vraiment qu'il a évoqué, euh, on retient tout simplement qu'ils sont déterminés à aller euh, jusqu'au bout, en tout cas selon ces dires. Ils sont donc déterminés pour aller jusqu'au bout, selon Arimi. Vous, Seigny, aujourd'hui, euh, quelle analyse faites-vous vraiment de la gouvernance même du CNSP à la date d'aujourd'hui Moi, je constate quand même un certain cafouillage, n'est-ce pas C'est-à-dire Il y a une espèce de cafouillage, il n'y a pas d'harmonie dans la communication. Mhm j'ai comme l'impression que chacun communique de son côté, hmm. alors que dans un contexte Paris, ce qu'on doit harmoniser, ce qu'on doit donner comme information, on n'a pas cette impression-là. Hmm. Tout à l'heure, quand j'ai évoqué la question de l'eau, hmm. bon, on voit bien que c'est pas le même niveau d'information entre ce que lui Tchani a dit et ce que lui le ministre de la Justice a dit. Il y a même le ministre. Il y a une contradiction. Bon, il y a une certaine contradiction. On a comme l'impression qu'il y a un flux artistique qui est délibérément entretenu autour de cette affaire. Hmm. Parce que c'est quoi qui a suscité tout ce débat hmm. C'est le mouvement d'ensemble au niveau de l'aéroport de Niamey, où d'emblée on a fait partie non seulement des, des de tenue, mais également des agents qui travaillaient là-bas. Justement, le président aussi a apporté des précisions sur cet aspect, que ce sont des agents qui ont été remplacés, que des agents qui ont fait des années. C'était normal de les remplacer le problème, le que, C'est que je vois mal comment un agent peut faire 20 ans à un hum, poste. Hum. En tout cas, si c'est un poc de tenue, 20 ans à un poste sans bouger. Hum. Ça, je vois, je vois mal. C'est des choses comme ça parce que quelque part, ça, ça a le doute euh, par rapport à son intervention. Mm. Parce qu'on sait comment les choses fonctionnent. Je peux comprendre un agent de la SECNA, il n'y a pas de problème. Et même ça, même au niveau de la SECNA, c'est qu'on arrive des Nigériens, que des Nigériens soient affectés dans d'autres pays de la SECNA mm. pour aller travailler. Mais rester pendant toute cette période-là, moi je dis quelque part, au, même, poste, oui. ça pose un sérieux problème. Mm. C'est en cela que je trouve que sur cet aspect précis, il n'y a pas eu conviction, mhm. n'est-ce pas mhm. Mais indépendamment de ça, par rapport même à la gestion des ressources euh, orifères du pays, mhm. quand il a dit qu'il y a des gens qui ont des permis, des, dignitaires de l'ancien régime qui ont des permis d'exploitation, d'exploitation n'est-ce pas Et qui sont nombreux. Moi, je dis quelque part, à partir de cet instant, et c'est en cela, quand je parle, vous avez parlé de gouvernance, j'ai dit, bon, ça commence à créer une certaine, euh, euh, un certain doute dans l'esprit des citoyens. Il y a une lenteur. Il y a une lenteur. Parce que pendant qu'il y a des affaires comme ça, les Nigériens attendent à ce que ce soit les grosses affaires qu'on évacue d'abord. Mhm. Et la Coldef qui a été mise en place est en train de s'atteler à des, trucs dans les services et tout. Donc euh, à la date on ne voit pas on rien voit pas, il n'y a pas de, cette Pendant mhm. qu'on demande en même temps aux citoyens de cotiser, mhm, mhm. de cotiser dans le cadre du fonds de solidarité, mais de cotiser également à travers, comment la communication téléphonique, n'est-ce pas on doit pouvoir, il doit pouvoir aller rapidement, ceux-là qui ont, parce que c'est des cas concrets. Moi, je me dis quelque part, ce conseil qui détient ces permis-là, mhm. on doit savoir comment ils ont pu accéder à des permis, parce que quand on est dans une fonction politique, étatique, on ne doit pas accéder à des choses Alors, Alors aujourd'hui, comment le CNSP doit s'y prendre face à toutes ces situations pour vraiment satisfaire la population Moi, j'ai dit, moi on va le faire quand, on va le faire quand il est chaud, mhm. n'est-ce pas mhm plus le temps passe, plus c'est difficile de pouvoir prendre des décisions, prendre des décisions des décisions dues, mhm. qui vont, en tout cas, servir de, qui qui vont être pédagogiques pour que demain ça puisse pas reprendre. Mhm. Mais tant qu'on laisse traîner les choses, mhm. on a comme l'impression qu'on est en train de, de, fouiner dans des petites choses pendant que voilà les gros dossiers où les gens attendent que donne le signal pour montrer aux citoyens quand demain même la démocratie va revenir, mhm, mhm. il y n'y a plus personne qui peut se permettre ce genre de choses. Tant que c'est pas fait, ça crée un problème, ça crée parce que ça fait déjà 6, 7 mhm, mois, on est dans le septième mois aujourd'hui. On ne voit pas les choses bouger telles qu'on le souhaite. Et il faut aller rapidement. On a vu un peu ce qui se passe dans les autres pays voisins, nos alliés le Mali, le Burkina notamment. Alors, mhm. où Moi, Alors, Hussein, voit flou de la bonne marche de cette euh, gouvernance du CNSP. Vous, Memouna, aujourd'hui, sur quoi le CNSP doit miser vraiment pour euh, atteindre ses objectifs ah, C'est beaucoup de choses. Mhm, hein. mhm. Euh, sur quoi mettre l'accent Miser, mettre l'accent pour atteindre les objectifs. Il y a plusieurs manières d'atteindre les objectifs. Euh, d'abord, euh, cette situation que Hussein vient de soulever mhm. euh, par rapport au fond, moi, je, on l'avait décrié ici, que est-ce que c'était même nécessaire de passer par la collecte mhm, mhm. de l'argent pour pouvoir soutenir l'État ou bien soutenir Tchani Chani. Pour rappel, ils disent que ce fonds collecté est destiné à l'armée, pour soutenir l'armée. Mais c'est ça, mais il y avait déjà un dossier où les gens ont pillé l'argent de l'armée mhm, ici. Mhm. Mais comment est-ce que aujourd'hui nous savons déjà combien de milliards mhm. ont été pillés par d'autres dignitaires pour pouvoir tout simplement remplir leurs poches et qu'aujourd'hui on demande avec les francs, 10 10 francs, avec l'argent prélevé des pauvres citoyens, parce que je parle de pauvres citoyens ici, mhm. il faut encore dire que c'est pour soutenir l'armée. Je ne suis pas contre pour qu'on soutienne l'armée, mais mhm. quand il y a des voleurs jusqu'à présent qui sont en liberté mhm. et qui ont de l'argent, qui ont suffisamment pillé ce pays et qui sont en liberté, qui restent impunis, qui reste impuni, mais on doit se poser la question si, on veut avancer ou on ne veut pas avancer. D'accord. Alors vous, Armi, aujourd'hui, le CNSP comment il doit s'y prendre pour vraiment mieux gérer ce pays, gérer sa transition Je euh, retourne encore euh, là où euh, il y a une question que Hussein a soulevée, hmm. la question de, de, la structure, je ne sais plus, de, euh, comment on l'appelle déjà La Coldef Non, pas la Coldef. Euh, normalement, le, CNSP était censé euh, organiser un forum, mhm. n'est-ce pas, pour que les questions nationales, n'est-ce pas, soient discutées. Mhm, mhm, déjà à sa deuxième sortie, le président avait dit que ça ne saurait tarder. un texte va sortir dans les prochains jours, dans la semaine. Un texte allait sortir qui va tracer le cadre dans lequel euh, cette structure euh, aura, lieu. Voilà, aura lieu. Et voilà que euh, ça fait quand même au moins un mois, si je ne m'abuse, sinon mhm. plus, mhm. et ce n'est pas le cas. Mhm. Or, moi, je pense que c'est le passage obligé pour que, pardon, pour que les Nigériens voient clair dans ce que le, CNSP est en train de faire et va faire pour ce pays. Parce que c'est une transition, n'est-ce pas Sept mois pour euh, avoir un calendrier clair, mhm. pour savoir vraiment combien va durer euh, cette transition, transition. combien de temps va durer cette transition, tout ça, c'est extrêmement important. Euh, et je crois que euh, un peu les Nigériens euh, s'impatientent mhm, mhm. pour savoir. Et c'est ce qui donne aussi l'impression à tout un chacun d'ailleurs mhm. de ne pas voir clair. Ousseni a parlé tout à l'heure d'un flou artistique. C'est aussi euh, mon sentiment. Euh, et surtout quand il y a des contradictions entre les déclarations des vraiment des personnalités mhm. du, du, même gouvernement, de, de la même structure, c'est un peu euh, gênant. Euh, je pense que le CNSP doit songer mhm. à organiser ce forum national, puis vraiment tracer un calendrier clair de la transition. Je mhm. crois que toutes les décisions à prendre au plan international, ils, les ont prises. Alors, ils ont déjà, on a déjà quitté, euh, mhm. suspendu notre participation à la francophonie, mhm, mhm, on a quitté la CDAO, autant de, on a, de décisions, autant de décisions au plan international, la population mais à l'intérieur. Oui, tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qui va être cette histoire de collecte d'argent aussi, à mon avis, déjà quand ça avait commencé, moi j'avais dit non, euh, quand on prend le pouvoir, c'est aussi pour laisser euh, les gens un peu tranquilles, mhm. euh, parce qu'ils sont spoliés déjà, parce qu'on reproche à ceux qui ont dirigé avant d'avoir volé les gens, mhm. mis les gens dans des conditions difficiles. On ne peut pas encore mille 1000 francs que tu fais dans, tu mets dans ton téléphone, mhm. ça devient tout de suite 980 euh, <laughs> francs. Il te faut chercher 10 francs pour faire ton forfait. Parce qu'on prélève Mais sincèrement. Alors la population s'impatiente pour un changement rapide. On espère arriver à des beaux jours très bientôt. Nous allons observer une courte pause. deuxième sujet de ce forum de la presse, un incendie s'est déclaré dans le marché principal du cinquième arrondissement de Niamey, communément appelé Harobanda, à l'aube du samedi 10 février. On ne déplore aucune victime, mais d'importants dégâts matériels dont le bilan reste à déterminer. Alors, euh, Monsieur Armi, je reste avec vous. Quelle autre information détenez-vous de ce sinistre non, euh, tout simplement que d'abord, c'est pas le premier incendie de ce même marché. Et c'est vraiment. Il y a euh, Voilà, c'est déjà, il y a un incendie qui s'est déclaré là-bas. Euh, on a en souvenance euh, le cas du petit marché qui a mhm. définitivement euh, disparu, mhm, mhm. n'est-ce pas Qui sera d'ailleurs euh, reconstruit en marché moderne international. on, espère. Mhm. Et c'est aussi le cas, le grand marché en a connu plusieurs. Moi-même, personnellement, je me rappelle euh, avoir couvert des incendies. Le marché de Katako, le marché de Katako, le marché de Wadata. C'est très fréquent. Et je dirais que malheureusement, c'est aussi compte tenu de la structure des marchés dans notre pays mhm. et, euh, en Afrique en général. Mhm. Euh, je crois qu'on ne s'adapte pas. Euh, il y a dans les pays maghrébins, les marchés sont assez aérés. Mhm. Ce n'est pas dans des dans, dans des, quatre, dans des quatre murs. Des voies obstruées. Voilà. C'est toute une zone n'est-ce pas, et que la nuit, à une certaine heure, toutes les boutiques sont fermées et mhm. sécurisées par les forces euh, vraiment publiques. Mhm, mhm. Donc je crois qu'on doit songer à ce genre, parce que euh, il y a quelque chose que je n'aime pas. Euh, personnellement, ça c'est un problème, je dirais que vraiment une conception personnelle des choses, le déguerpissement qui se fait de nos jeunes euh, vraiment commerçants, mhm. n'est-ce pas que que ce soit ceux qui ont les oui euh, la manière dont c'est fait, je ne veux même pas que ça commence parce que s'il y a une étude qui devait être faite mhm. pour établir la situation de ces jeunes qui perdent chaque année mhm. en matière de richesse de notre pays et qui sont obligés de prendre la route de la migration, parfois quelqu'un est appauvri à plus jamais. Donc je ne veux pas qu'on en arrive là. D'un autre côté, Arimi, ces jeunes-là, ils bloquent la voie, on les déguerpit, ils reviennent aussi à mais cet Il y a des boutiques qui sont à leur disposition au, sein du marché. <laughs> Il n'y en a pas en réalité. C'est que, parce que ils, font les choses pour vendre. Mhm, mhm, mhm. La population a ses repères. Quand tu te réveilles, même si euh, tu as, à, je, dirais, quelle cité, c'est au grand marché que tu viens, c'est à Wadata que tu vas, n'est-ce pas Or, dans leur quartier, souvent, il y a des endroits, les gens ne sont pas habitués mhm. à avoir vraiment la diversité. Mhm. Et le marché, c'est toujours un coin précis chez nous. Et donc, c'est en cela qu'il faut imaginer euh, des, marchés faciles d'accès, mhm. avoir vraiment des bouches d'incendie de, euh, au sein du marché et créer vraiment les conditions pour que sensibiliser la population, pour qu'ils prennent vraiment garde et que euh, il n'y ait pas de, de, de, de transfert d'électricité mhm, mhm, mhm. amateur. Non, vraiment que chacun euh, soit conscient du fait que ça peut arriver et que souvent chez nous on n'a même pas d'assurance et tout. Ta, ta boutique brûle, tu sais ce qui risque de t'arriver. Donc c'est vraiment les gens sont conscients, mhm. doivent être conscientisés par rapport à la gestion de ces marchés-là. Parce qu'on veut vaincre les gens. Mhm. Il faut les convaincre. Concernant cet incendie, du, ce énième incendie du marché de Harobanda, euh, les selon les sapeurs-pompiers, euh, leur leurs agents étaient à pied d'œuvre dès les premières heures, mais les voies obstruées n'ont pas rendu la tâche facile. Les responsabilités, où situer vraiment ces Comment expliquer cela, Memouna Bon, comment expliquer Les voies qui sont obstruées, qui, sont, occupées. Je me rappelle, hein, je sais pas, c'est après l'incendie, comme tu viens de le rappeler, mhm. le premier incendie. Je, me rappelle très bien que la mairie était là-bas et c'était le président du conseil de ville d'Ogari mhm. qui était descendu là-bas mhm. pour pouvoir arranger le marché expliquer qu'il faut laisser des passages, oui, oui, des passages dans le marché pour que, en cas d'incendie, que les sapeurs-pompiers puissent pénétrer, mhm. Accéder, facilement. Mhm. Mais il y avait eu tellement de bruit autour de cette situation parce qu'il y a eu, en fait, la mairie s'est retrouvée en face euh, des commerçants mhm. qui ne voulaient pas obtempérer, qui ne voulaient pas comprendre ça et qui voulaient euh, coûte que coûte euh, euh, euh donner tort à la mairie. Bon, moi je pense que là c'est c'est les deux côtés. L'autre doit convaincre, comme l'a dit Armi, ces commerçants-là. Et ne pas aller avec la force. Mhm. Parce que quand tu vas pour négocier ou bien quand tu veux avoir des résultats, il faut pas montrer que tu es au-dessus. En tout mhm. cas, c'est toi le patron. Mhm. et Essaie de te mettre à la hauteur de ces, euh, au même pied d'égalité que ces commerçants-là et leur définir que voilà, mhm. c'est pour votre bien que nous sommes en train de le faire. Et s'il y a des taxes qu'il faut réduire, on va vous réduire les taxes. Mhm. L'essentiel, c'est que vous ayez un marché propre d'abord et ensuite un marché de voie d'accès. Bon, maintenant, ce qui est fait est fait, mais moi je pense que Niamey est arrivé à un niveau où il faut essayer de moderniser les marchés. ça, ne, ça ne coûte rien en tout cas avec ce que les, collectivités, ce que les mairies gagnent, mhm. d'aller vers la modernisation de nos marchés. En tout cas, avec l'ancien petit marché, il est prévu de le, moderniser, de le reconstruire euh, sous les normes internationales. Pourquoi ne pas également chercher à, construire, ne serait-ce que même si c'est à deux niveaux, mhm. pour le marché de Harobanda et mhm. les autres marchés Ça serait, oui, par exemple, ça mhm. va empêcher à chaque fois la mairie de descendre là-bas. C'est faisable selon vous aujourd'hui Oui, c'est faisable, c'est <laughs> faisable. Qu'est-ce qui n'est pas faisable Vous, Monsieur Ouseni Issa, on a souvenance vraiment des incendies précédentes, euh, du grand marché, du Katako, cette récurrence de ces incendies même, comment, où se situent les responsables Quelle explication donner à cela La cupidité. De qui Des gérants. <laughs> Mais également le laxisme mhm. des autorités communales. À ce que je cherche, quoi qu'on dise, quand on construit les marchés, on fait des passages. Effectivement. Il y a même des comment ça s'appelle, des points d'incendie ou des, des, des, des bouches d'incendie, n'est-ce pas Alors, quand lui, le gérant, il considère que voilà les boutiques qui sont, euh, comment veut dire, qui ont été construites euh, régulièrement, qu'on peut vendre des petits espaces, des petits couloirs. Le monsieur vient, il fait son hangar, il met des tentes ou quelque chose comme ça, on l'admet parce mhm. qu'il paye, mhm. n'est-ce pas alors, on ferme carrément les passages. Tous les marchés qui brûlent, c'est comme ça les dégâts. Mhm. Avant-hier, quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, toute la difficulté qu'ils ont eue, c'est de pouvoir accéder. Mhm, mhm. Parce que deuxièmement, tout est obstrué. Le gouverneur, dans son intervention, a évoqué la question de branchement même. De branchement, mais euh, tout ça, ça fait partie. Électrique mais alors, tout ça, ça fait partie parce que les gens observent. Mhm. C'est pour ça que j'ai parlé de laxisme. C'est-à-dire, tant qu'on ne tape pas du poing sur la table, c'est-à-dire avec des... On te confie la gestion d'un marché, de temps en temps, on fait un tour pour constater, voir s'il n'y a pas de dérapage, si les, les passages ne sont pas obstrués. Mhm, mhm. Maintenant, en tant que responsable gérant, il faut on te verbalise, on te pénalise. Et une fois, deux fois, troisième fois, on te retire la gestion du marché. Mais quelle est même la part de responsabilité des commerçants eux-mêmes Oui, mais les commerçants, mais chacun veut aller dans un marché. C'est ça la difficulté. Ils doivent dénoncer. Chacun, mais les commerçants ne se dénoncent jamais. Mhm. Chacun. Euh, un, un petit qui est à côté de moi, il vient, il s'installe. Euh, il veut faire son hangar, il peut faire son hangar. Moi, je vais même le protéger mhm. pour que les autres ne puissent pas lui, lui empêcher de mettre en place son hangar. Mhm. Voilà un peu. cest à qu'on est tous d'accord pour obstruer. Maintenant, quand le malheur arrive, mhm. là, les gens, tout le monde se plaint. En tout cas, tous les marchés, tous les marchés aujourd'hui tous les de CFA qui partent à l'air et ça, impacte sur l'économie. Quand, ça prend, quand mhm. ça prend, c'est des marchandises, c'est des pagnes, c'est du tout dans de un marché. l'argent, du... C'est du combustible. Et quand ça prend, ça va vite. Alors, quand les gens ne réalisent pas que on se met en danger mhm. en acceptant ce genre de choses, parce que tout simplement, c'est un cousin, c'est une connaissance, je lui donne un, espace à côté de moi, mhm. il est riche. Je me mets en danger, il, est aussi en danger. Mhm, mhm. Alors, si on ne peut pas prendre conscience, et on considère que non, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mhm. Tous les marchés pratiquement. Depuis, depuis l'ancien, le, grand marché ici, c'était en tôle et en hangar. Depuis, les, incendies, c'est comme ça. Quand ça prend, c'est fini. Pendant qu'on est en train, souvent, quand ça prend vers le milieu, c'est fini. On n'arrive plus à circonscrire le feu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire, moi, j'ai dit, il faut sanctionner. C'est tout. Il faut, il situer les responsables. Mais, comment sanctionner puisque les sanctions n'existent toujours mais, pas Non, mais alors il faut, il faut les inventer. Mm-hmm mais si ça n'existe pas, il faut les inventer pour que celui qui va prendre, parce que les marchés ont des gérants. D'accord. N'est-ce pas? Selon, donc, Hussein, il faut sanctionner. Vous, mais Mouna, que recommandez-vous aux autorités pour vraiment mieux gérer les marchés, éviter ces incendies parce que ça impacte sur l'économie même du pays? Il faut de temps à autre sensibiliser ces commerçants-là. C'est encore mieux de les sensibiliser et de leur dire que c'est pour leur bien c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est parce que quand l'incendie vient, en tout cas, c'est vous, vous avez vos articles à l'intérieur du marché. Mhm. Nous, ne faisons que amener les sapeurs-pompiers pour qu'on puisse sauver ce qu'il faut sauver. Mhm, mhm. Donc, pour ne pas revenir à la case de départ, puisque quand il y a un incendie, <laughs> forcément tu reviens à la case de départ. Donc il faut les sensibiliser et également sensibiliser ceux qui sont euh, qui sont censés s'occuper du marché à l'interne. Mm. Ça veut dire leur montrer également comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut sanctionner à mm. leur niveau aussi, mm-hmm. prendre des décisions à leur niveau mm-hmm, mm-hmm. avant de prendre avant de, de rendre compte à la mairie ce qui se passe. Donc ça veut dire on serait toujours dans la communication de la sensibilisation. Mhm. Et maintenant, il faut agir. Quand on sensibilise, il faut agir. Et il faut, agir. Mhm. il faut donner, il faut faire connaître à ces commerçants qu'il y a quand même l'autorité qui existe. Et quand l'autorité décide de ça, il faut, respecter cette décision de l'autorité. Mm, mm. Donc je reviens à ce que Hussein vient de dire, qu'il faut sanctionner. Mm. Parce que en fait, même si on sensibilise et qu'on arrive à un niveau de sensibilisation où on ne sait même pas par quelle manière cette fois-ci il faut aller vers ces commerçants-là, mais il faut montrer que l'autorité existe et que l'autorité est là. L'autorité ne sanctionne pas parce qu'il veut sanctionner, parce que l'autorité veut sanctionner, mais l'autorité sanctionne pour que demain, ces choses-là ne, puissent pas encore euh, se répéter. Mhm, mhm. Voilà en fait. Alors au-delà des sensibilisations, il faut sanctionner. Êtes-vous d'avis, Arimi Oui, quand quelqu'un euh, commet des bévues, il faut nécessairement sanctionner. Maintenant, je ne sais même pas comment la gestion mhm. euh, des marchés se passe, parce que normalement, il y a les syndicats des, des commerçants, mhm. il y a euh, les gestionnaires, parce mhm. qu'il y en a qui, euh, dont le rôle, c'est la gestion même du, du, marché en tant que tel. Mhm. Il y a souvent des commissariats au sein du, du euh, au, sein, au, sein, du marché. Mais malgré tout, euh, quand quelque chose arrive, il est quand même euh, difficile de situer les, responsabilités. Mm-hmm. Moi, je pense que euh, il doit y avoir des, euh, comment on appelle, des, des, collectifs, n'est-ce pas, pour, qui s'occupe vraiment de la gestion du marché et qui euh, comprend tous les acteurs. Mm-hmm, mm-hmm. il y a les acteurs vraiment, les commerçants eux-mêmes, les usagers et même euh, les, les, les, les, citoyens ordinaires, mhm. en, tant que consommateurs, euh, doivent faire partie de ce comité mhm. qui doivent périodiquement se réunir, faire le point de la gestion de, leur marché, n'est-ce pas parce que, parce que même malheureusement tous ces sinistres surviennent en pleine oh, nuit, voilà. lorsque le marché est désert, oui. Mais aussi il faut constater que euh, les marchés finalement, non euh, n'ont pas de communication, hmm. n'est-ce pas euh, Pourquoi ne pas doter chaque marché, par exemple, de sa radio n'est-ce pas, qui communique au quotidien, hmm. n'est-ce pas, où on permet aux gens de, de, faire des débats, hmm. mais aussi de dénoncer des choses qui sont en train de se passer, n'est-ce pas, et qui permet à tout un chacun d'être au courant à l'instant de ce qu'il y a, mais aussi l'attribution des des, boutiques, mhm. n'est-ce pas On doit pouvoir, par exemple, entre autres sanctions, euh, être à mesure de retirer mhm. euh, sans condition vraiment aucune le retrait à quelqu'un qui enfreint à la règle. Parce qu'on t'accorde un espace bien clair pour lequel tu payes mhm. et tu veux faire des extensions en construisant des, choses, parfois en matériaux définitifs mhm. ou mhm. vraiment difficilement démontables, au, point où des voitures, quand euh, elles viennent, elles ne peuvent pas rentrer à plus forte raison. Donc il y a je crois que c'est dans le dialogue. un travail de sensibilisation, de, à faire mhm. et sans négliger aucun acteur qui mhm. intervient. Mhm. Parce que souvent, euh, c'est les jeunes gens qui sont autour qui causent problème. Parfois, c'est les commerçants qui n'ont même pas à réalité de boutique parce que on, aurait ouï dire aussi que souvent la gestion des marchés, c'est tout un business. N'est-ce pas Tu peux être en possession mhm. d'une boutique, que tu n'exploites pas, mais que tu loues. Mhm. Deux fois, trois fois, quatre fois. C'est un vrai business. Alors, pour terminer, vous, Hussein, aujourd'hui, quel sera vraiment le sort de toutes ces victimes Y a-t-il lieu de les soutenir, des compensations Quel sera, selon vous, leur sort aujourd'hui c'est ça la difficulté. Mais c'est des activités privées. Le mhm. commerce, c'est une activité privée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Surtout dans ce contexte actuel que ce pays traverse, mhm. où il n'y a pas d'argent, mhm. n'est-ce pas c'est un coup dur donc pour. Euh, mais c'est un coup dur. Et dans, toutes les, dans tous les incendies qu'on a connus, souvent il y a juste peut-être quelques soutiens. E, effectivement. Quelques soutiens comme ça, de manière. De manière, mais s'attendre à ce que l'État. C'est un peu compliqué, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'État peut faire Reconstruire le marché mais non, reconstruire, non, moi, je vais dire reconstruire. <laughs> mais bien évidemment, l'État est obligé de reconstruire mhm, le mhm, marché, mhm. n'est-ce pas C'est un marché qui est là, qui est connu il faut que l'État reconstruise le marché. Mais moi, je vais dire, et j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que on insiste beaucoup sur la sensibilisation. Moi, je dis, les gens sont suffisamment sensibilisés. Tu sais que c'est, c'est ta fortune qui est là. Est-ce qu'on a besoin de te dire que, ah, voilà, toute ta fortune, c'est ta vie qui est là. Est-ce un changement de comportement aujourd'hui. Non, le changement de la sensibilisation, Mais Mouna on a fini, on a sensibilisé. Quand je sais que je vais perdre des millions, mhm. des dizaines de millions, mhm. quand ça va prendre feu, mhm. est-ce que quelqu'un, j'ai besoin que quelqu'un vienne me dire chaque matin, fais attention à ceci, cela. Je dois être moi-même un agent de veille. Un agent de veille. Quand quelqu'un va venir vouloir installer un, un, dispositif dangereux à côté de ma boutique, je vais lui dire non. Mhm. Mais il n'y a pas ça ici. Les gens considèrent qu'ils laissent le, c'est un cousin, c'est un Vivement donc, euh, vivement donc le changement de comportement. Dernier sujet, un arrêté du 30 janvier 2024 a fait état de la présence de la grippe aviaire H5N1 dans une ferme avicole familiale au quartier Plateau de l'arrondissement communal Niame 1. Le 27 janvier, le labosel confirme la maladie, mais à l'heure actuelle, tout est sous contrôle et la maladie est circonscrite selon Dr Aboubakar Hamou. Il est le directeur général des services vétérinaires. Memouna, une énième épidémie de la grippe avoir confirmé à Niamey après la grande pandémie même de 2006 et de mars 2021. Comment avez-vous accueilli cette information ah Bon, c'est pas étonnant, hmm. puisque euh, c'est la. D'abord, c'est la période. D'abord, c'est la période, puisque nous sommes dans une période quand même euh, euh, froide où ces, c'est ces maladies hein, euh, surgissent. C'est une période donc où les maladies animales oui, oui, oui, mhm. oui. propagent. Donc c'est vraiment la période favorable. Et mhm. puis euh, il ne faut pas noter aussi que nous avons des poulets que nous importons, mhm. de d'autres nous exportons des, euh, autres pays frontaliers du Niger. Euh, je me dis que bon, ça a toujours existé. C'est que ça a des niveaux de degrés de niveau, c'est tout. Mhm. Et les populations connaissent déjà cette maladie, mhm. la maladie des volailles. Euh, Donc, ça n'inquiète personne aujourd'hui bon, <laughs> Moi, je ne <laughs> vois pas. En fait, bon, ça peut inquiéter comme ça ne mhm. peut pas inquiéter. Mhm. Parce que les Nigériens sont devenus résilients face à cette euh, maladie mhm. où déjà il y a eu des précautions, il y a eu des sensibilisations sur comment est-ce qu'il faut, euh, il faut d'abord se protéger contre cette maladie protéger sa famille. Comment est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, avec la volaille, comment est-ce qu'il faut faire cuire très bien la volaille pour pouvoir euh, en consommer. Mhm, mhm. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment une situation qui n'est pas trop alarmante. Mhm. Voilà. Rappelons qu'en février 2022 également, 10 euh, foyers de la grippe aviaire ont été recensés dans des élevages à Niamey, à Tilaberi et tous ce qui a affecté quelques 89 000 poules pondeuses. Alors, comment vraiment expliquer cette récurrence Est-ce que les cas précédents n'ont pas été bien gérés En fait, je pense pas Mhm. Moi, je pense que de la même manière qu'il y a des, <laughs> maladies, comment dire, qui affectent l'être humain. Par mhm. exemple, quand c'est la période de méningite, n'est-ce pas quand ça arrive, il y a des épidémies, il y a des années où ça vient, il y a des années où ça vient pas. Mm-hmm. C'est une épidémie donc euh, voilà. Moi, je euh, hein, pense, je pense, je pense, la, la, première euh, quand ça a paru en 2006, je crois, mm-hmm. c'était sous le régime de Tanja. Mm-hmm. Où là, c'était l'affolement. On a fait <laughs> comprendre, on a fait comprendre aux gens que c'est dangereux. Même les œufs, il fallait pas manger, et tout. Et tout. On a massacré des poulets des pintades dans ce pays. <laughs> Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, c'est des cas, c'est isolé. Quand on dit que la situation, la, situation est sous contrôle, c'est-à-dire c'est un foyer isolé. met en quarantaine, oui. on, met en quarantaine, on fait mhm. le traitement comme d'habitude, mhm. n'est-ce pas On abat, comment dire, tout ce qu'il a comme On traite complètement l'espace, l'endroit. On, on, met en quarantaine un peu la ville, mais moi je me dis quelque part, il faut s'attendre à ce que ce soit de manière récurrente que ce genre de... il ne faut pas s'attendre mm-hmm. qu'on peut éradiquer de manière définitive parce que les oiseaux migrateurs, souvent, c'est ces oiseaux migrateurs qui mm-hmm. transportent ça. Mm-hmm. Alors, ça vient dans un... Euh, euh, comment ça s'appelle dans, dans, une ferme, bien évidemment, ça va faire des dégâts. Mais bon, c'est la, la, la, grosse frayeur c'est passé. Mais est-ce que vous pensez même toutes ces épidémies déclarées hmm. ont un impact sur les consommateurs Ils continuent de manger ou pas Mais, mais, mais, mais, <laughs> Nafisa, quand vous circulez sur les axes, les, voies, mhm. vous voyez bien les grillades, non alors, est-ce que ça, ça, ça, ça, ça, crée un machin, une psychose mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. J'ai dit quelque part aussi, c'est que c'est la cuisson aussi. Parce que quand nous, on voit comment on cuit les aliments, en tout cas, surtout ce qui est cher, volaille, c'est pas la même chose que chez eux oui, nous, on ne mange pas le saignant, <laughs> comme il l'appellent Parce que chez nous, c'est grave quand tu manges euh, <laughs> de la viande le poulet est cuit pendant au moins une heure de temps. Voilà, <laughs> euh, aussi, il faut retenir que euh, les fermes familiales, les Nigériens, dans leur résilience de tous les jours, mm-hmm. ont au fur et à mesure développé, n'est-ce pas, chacun euh, selon ce qu'il peut, mhm. n'est-ce pas, des, des, élevages, moi je les mhm. appelais, mhm. les, fermes, même, voilà, des, des avicultures, non, non seulement pour leur consommation. Alors qu'il y a des euh, conditions, les questions sanitaires doivent être. Mais c'est comme au village, selon ce que tu as, euh, tu fais. Mhm. Et dans tous les cas, chez nous, on n'aime même pas quelqu'un qui n'a pas d'élevage. Mhm. Même si c'est deux ou trois têtes de n'importe quel animal, tu dois pouvoir en posséder et les élever. Mhm. Et donc, c'est tout ça. Si ce n'est que ça, vraiment, je dirais que ce n'est pas tellement grave. Moi, j'ai pour avoir réalisé euh, le spot de, la, de 2026, mhm. de 2006, mhm. n'est-ce pas, euh, comparé à ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est circonscrit et ça ne saurait dépasser l'étape euh, vraiment de mhm. D'accord. vous vous, Maimouna, de votre côté, pour terminer, le temps est contre nous. Comment l'État vraiment doit gérer ce secteur de l'agriculture, de l'aviculture, autant pour moi, pour vraiment circonscrire toutes ces épidémies qui sont enregistrées un peu partout D'abord, je, pense pense qu'il serait nécessaire également de faire de temps à autre des tours dans les mhm. fermes mhm. Euh, avicoles pour pouvoir euh, euh, détecter mhm. certaines maladies. Est-ce que, que oui, oui, des traitements. Pourquoi pas Oui, oui, périodique. Et, regardez d'abord l'environnement. Est-ce que ces, poulets ou ces, ces sont en train d'évoluer dans un environnement normal de, de, les agriculteurs aussi, <laughs> c'est de prendre aussi euh, la décision ou bien de prendre aussi également euh, le temps de, de, s'occuper de, de, leurs volailles, de, les suivre mhm. sanitairement pour voir. Merci, merci. Oui, saignez rapidement. Ceux qui font ça, ceux qui mhm. font ça, l'agriculture là, ils mhm. mettent beaucoup d'argent dedans. Hein. Effectivement. Et il y a beaucoup d'argent, y compris par rapport au traitement. Seulement quand ça arrive, ça arrive. Ça dit, ce n'est pas que par négligence ou parce que élever des parce que C'est une perte aussi pour eux, eh, bien évidemment, ils injectent beaucoup. Et l'État ne les compense pas hmm. ou bien après cette perte là. Hmm matière de, gestion de crise sanitaire mhm. en général, mhm. une des choses à faire, c'est aussi que l'éleveur soit capable de déclarer. Quand mhm. euh, ces poulets meurent de façon vraiment euh, mystérieuse, tout ça qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est de déclarer. Et ça, c'est voilà. Mais aussi le contact avec, en ce moment-là, avec des euh, poules ou des poulets vraiment extérieurs. Tant que euh, vous êtes en quarantaine, mhm. votre poulailler marche très bien, il n'y a mhm. pas de maladie que vous constatez. Vous ne prenez pas le risque mhm. de faire introduire de nouveaux. D'accord, merci bien, merci. On espère que la situation continue d'être maîtrisée. Et c'est ici donc que s'achève le forum de la presse de ce vendredi 16 février 2024. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, merci d'être venu. Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Issa, journaliste indépendant. La technique est assurée par Amina Hassan. Je suis une Nafisa Adam quoi la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.